toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bonjour, je me présente Miram euh, Miram Je suis euh, jeune entrepreneuse et j'évolue dans presque tout. Voilà. Euh, mon entreprise s'appelle Tontin Bazara. elle est basée à Rufisque précisément à Cité Bata hein. waaw euh, tontine Il Zara a eu un événement Une benn foire bu est organisé à partir du 23 décembre jusqu'au 30 vise à promouvoir l'entrepreneuriat surtout euh, celui des femmes le leadership féminin voilà et puis à Rufisque Père Ndiayène

à, à travers la tontine déjà et à travers la vente par tranche. Par exemple, celui qui veut acheter un salon ou une télé, peut-être tous les mois ne sont pas réunis pour avoir tous les matériels nécessaires. Zara mon télé il dañ koy yombalal Zara daf lay jaay télé nga jox ko moitié mu jox la télé li ci des nga fay que par tranche Zara de lay jaay salon nga def ko ay tranche wala nga bokk ci groupe tonti bi voilà fekkee da nga jënd par exemple benn télé ñu jaay la ko à par exemple cent vingt mille francs da ngay joxe moitié boo joxee moitié reste nga fay ko en trois tranches bu dee da nga bokk tonti dañuy def ay groupe de cinq personnes déjà chaque mois dañuy tirer kenn ñu jox ko matériel chaque mois kenn day cotiser lu kii day bi bu dee télé yi c'est quatre mille francs ñu cinq mois mën na nekk avant cinq mois sax ñu jox ñëpp mais bi cinq mois lay doon voilà euh, Zara dafa toon benn euh, ndaw boo xam dafa yàgg bëgg jaay mu bëgg yaa yàgg bëgg jaay voilà dama daan jëndal di ma yor jënd jaay ma am ci ma ñàkk ci am dara damay Euh, en 2015 j'ai ouvert ma première boutique au Maris fois, fa fois, fa fois fa au un moment donné ça marchait plus j'ai arrêté voilà maintenant je continue. continuer et je travaille en même temps dans certains certaines boîtes mhm. voilà j'ai été euh, comment dirais-je commercial mais c'est pas le commissaire c'est pas mon fort ma delluwaat un entrepreneur parce que suis loolu laa xam loolu mhm. c'est après que j'ai réouvert une boutique chez moi donc ñu dit que ma ne pourquoi pas vendre des Je n'avais pas le fond mais hmm, ma ne damay créer pourquoi ne pas créer un groupe gars yi di cotiser bu cotiser

Ah, par là j'ai commencé à créer des groupes salon télé frigo genre euh, d'abord je Demain, demain, demain, parce que moi, vraiment il m'a compris souvent de la manière il nga am il est me jël nii il genre bu waxee rek mën na ko yow daal day ma seetaan voilà peut-être bon souvent nga daje ci ñoo xamante ne dañuy commencé bu ñu pare après pour nga jotaat seen problème lay doon nga obligé de ka kaase wu jox leen jëlaat sa xaalis di defaat xam nga ñii dañu comprendre ñii souvent seen bagage yi tardé doo comprendre ñu ne lii parce que ya yaa ya bëgg.

voilà déjà personnellement je vais faire une exposition de salon de matériel. Euh, électronique, électroménager. Il y aura des vendeurs de jouets, de, d'habits, de chaussures. Euh, il y aura du tout. Pour la cérémonie d'ouverture aussi, il y aura une kermesse. Il y aura le boulet de Samuel Il y aura euh, Mathieu Vraiment, toutes les autorités de, de monsieur le maire Alioune Mar le jaraaf de l'office pas le maire voilà Albert Ndoye maa ngi woo ñëpp waaw Zahra tamit astuces def je vends des cuuraay des nuisettes des bibine les noci et tout ce qui s'ensuit parce que dama koy jaay direct hmm. damay damay def ay yu baax damay def ay mélange parfum yu baax ay yu baax waaw di def ay ay chocolat mont daal côté boobu lu waaye ñëwee moom ñu gën a rek ñu jàpp ñu gën a jàpp voilà damay aussi nuyu de passage sama benn xarit depuis Italie wala ma koy sama madame si aussi maam Jaara Kan sama jumelle sama seet boobu dama koy nuyu di euh, nuyu Awa Cissé depuis Italie depuis Canada du mas Astou Wade sama ami d'enfance daal maa ngi de passage je leen wax euh, ñu jàpp ci xew-xew bi voilà di woo tous les c'est sama mari, c'est ça ma c'est ma cousine j'appelle tout le monde voilà. rendez-vous le 23 décembre jusqu'au 30 décembre à ne pas rater fu ngeen ma wax ñëw leen soutenir Zahra jàppale ko na ñëpp ñëw toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation.